le forum du studio le forum du studio forum du studio le forum du le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du le forum du forum 18h passé de 15 minutes à Niamey. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au rendez-vous hebdomadaire, le forum de la presse du studio Kalangou, qui réunit des journalistes pour analyser les principaux sujets de l'actualité. Ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est d'abord la célébration samedi 30 novembre, la sixième édition de la Journée nationale de la liberté de la presse au Niger. En seconde position, nous parlerons du projet de modification de l'hymne national Proposé par le gouvernement nigérien. L'actualité, c'est aussi la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. Pour analyser euh, ces faits, j'ai le plaisir de recevoir Hassan Boukar de la radio alternative. Hassan Boukar, bonsoir. Bonsoir. Haj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter. Al-Haj Mohamedou Suleiman, bonsoir. Bonsoir. Et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Issa Madougou, bonsoir. Bonsoir, docteur. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Bienvenue à vous tous euh, dans le forum de la presse de ce vendredi que nous ouvrons par la célébration euh, demain à Niamey de la sixième édition de la journée nationale de la liberté de la presse qui est célébrée chaque 30 novembre au Niger. Une journée instituée par décret et prise en conseil des ministres et qui commémore la date anniversaire le 30 novembre 2011 de la signature de la déclaration de la montagne par le président de la République. Une signature qui est un engagement politique à promouvoir la liberté de la presse en Afrique à travers l'abolition des lois sur la diffamation et les jures publiques. Rappelons, c'est une initiative de l'Association mondiale des journaux représentée à Niamey lors de la signature du président Issoufou par le président du Forum mondial des éditeurs de presse. Le président nigérien était le premier chef d'État en exercice à avoir pris cet engagement, suivi d'Hélène Johnson Sirleaf, la présidente du Libéria en juillet 2012. Hassan Boukara, peut-on dire que cet engagement a été respecté de 2011 à aujourd'hui au Niger Merci beaucoup, Mokhtar. Merci aux auditeurs. Alors, euh, pour moi, c'est peut-être difficile de dire euh, dans quelle mesure ça a été respecté. Euh, ces derniers mois, nous vivons peut-être une situation d'accalmie, je peux dire, euh, mais j'ai en mémoire le type de le sort réservé aux médias qui couvre certains événements comme les manifestations estudiantines, comme le mouvement de la société civile contre les mesures fiscales contenues dans la loi des finances. Donc, euh, je pense que à l'épreuve des faits, ça montre que tout en parlant de liberté de la presse, ce régime agit comme la plupart des régimes qui ont des réflexes de répression. Lorsqu'il y a des enjeux majeurs, ce qu'on a pu constater, c'est quand même la, répression au, niveau des médias. Or, la liberté euh, veut que même si on n'est pas d'accord, on laisse les médias faire leur travail, l'opinion est là pour, euh, pour juger. Lorsqu'on considère que ce qu'ils disent n'est pas correct au point de vue de la loi, les tribunaux sont là pour agir. Mais ce qu'on a vu, c'est quand même euh, des hommes, de porteurs de tenue qui s'en prennent aux journalistes dans les rues. Alors, euh, ça fait quelques mois aujourd'hui, il n'y a pas eu des événements qui ont mis tout cela à l'épreuve. Mais je pense que ce qui est passé sur la loi des finances, sur les manifestations étudiantines, sont assez récents c'est assez récent pour qu'on puisse euh, l'oublier. Donc euh, il y a euh, aussi, je crois, le travail fait par exemple par Reporters sans frontières qui montre que à la fin du régime Tangent, on a connu une période assez intéressante qui montre un intérêt des régimes qui sont arrivés par la suite, qui ont quand même apporté des changements par rapport à ce qu'on a connu avant. Mais depuis 2015, je crois, ça dégringole. Et euh, les derniers rapports montrent justement que ça continue à chuter. Donc, il y a les principes tels qu'ils sont annoncés, mais il y a aussi la réalité telle qu'elle est vécue par, euh, les journalistes. Alors, sur la liberté de la presse, au-delà de la dimension répressive, il y a aussi euh, d'autres choses. Hein. Je pense qu'il y a la dimension économique, quelles sont les conditions des viabilités concrètes pour que les médias soient bien là dans l'espace public, qu'ils puissent véritablement jouer leur rôle. Donc voilà, ça fait énormément de choses à mon avis. Euh, certes, il y a des choses qui sont faites par le régime, par exemple le fonds d'aide à la presse et tout ça, mais ça montre que c'est largement insuffisant. Dans un passé récent, on a vu aussi euh, toute cette pression des services du fisc contre les euh, médias, contre des organes presse. Contre des organes de presse. Euh, tout en considérant que les journalistes, euh, les médias, les entreprises de presse et des contribuables, donc qui doivent apporter aussi leur contribution, leur obligation fiscale, mais en même temps, la façon dont cela a été fait, laisse croire qu'il y avait une volonté. Pour, moi, rien que la façon dont on a mis toute la pression sur les médias pour demander euh, ou des, arriérés, faire des rappels, etc., pendant qu'un service comme Orange a accumulé 10, peut-être 20 milliards de francs pendant des années, sans que, euh, en dehors juste de la fermeture symbolique, ils ne subissent les mêmes pressions que les médias. Donc pour moi, euh, tout en considérant les actions qui ont été faites par le régime, comme euh, le fait de donner les fonds d'aide aux médias, je pense que de façon globale, j'ai du mal à dire que réellement aujourd'hui, ce régime se bat pour la liberté de la presse. J'aimerais bien croire, moi. Issa Madougou, pour vous, cet engagement du président de la République a-t-il été suivi faits de novembre 2011 à aujourd'hui Merci Mokhtar. Moi je pense que euh, ce 30 novembre, moi je fais partie des, des, gens qui voient que ce n'est pas normalement ce qu'on devrait célébrer le plus. Mais ce qu'on devrait célébrer, c'est l'ordonnance de juin 2010 portant des pénalisations des délits commis par, voie de presse. Parce qu'ici, il n'y a pas de base juridique qui euh, astreint le président à le respecter. C'est un engagement qu'il a pris. Alors, si les conditions ne sont pas un engagement, quand on le prend, si les conditions ne placent, nous sommes des humains. Hein. C'est pour cela, moi, je dis, dans un premier temps, nous savons tous d'où est partie l'idée de la célébration jusqu'à ce que ça soit institutionnalisé. C'était d'abord l'initiative de Salim Zanguena, Nili Presse dont la première édition a été célébrée et l'autre édition, le ministère a dit voilà, voilà, et, ils ont décidé d'institutionnaliser la journée. Mais par rapport si l'engagement a été respecté ou, pas, vous savez, à bas répéter, moi je ne veux pas revenir sur les mêmes événements qui ont marqué ces dernières années. La presse, même si ces derniers temps on remarque euh, une accalmie, c'est dû certainement parce que à l'actualité, aux événements qui se passent actuellement. Mais on n'a pas été confronté à d'autres situations encore qui puissent vraiment mettre à l'épreuve tout ceci. Donc, voyez-vous, tout ce qui a été fait a été décrié. Qu'il faut regarder, ce n'est pas normal dans un pays démocratique que des choses pareilles puissent se passer. Mais maintenant, on peut se dire que ça va. On n'est pas dans ces mêmes conditions. Vous avez eu également à déplorer le comportement de certains journalistes ça, c'est <laughs> le reporter sans frontières qui avait parlé de ça, pour dire qu'il y a une année où la place du Niger a été euh, achetée. Le Niger a dégringolé. Voilà, parce que des journalistes n'ont pas été très professionnels dans la pratique de leur métier. Et ça, c'est évident. Nous-mêmes, il y a cette responsabilité. Aujourd'hui, le véritable problème qui se pose dans la presse, c'est la responsabilité de nous-mêmes. Qu'est-ce que nous faisons réellement Du point de vue éthique d'abord, parce que ça suppose dans la vie comme ça, même si vous n'êtes pas disant que vous ayez une certaine éthique. Maintenant, il y a la déontologie du métier. Il faut que vous le respectez. Soit vous faites du journalisme ou vous ne le faites pas. Mais ça ne veut pas dire aussi, il y a une certaine compréhension, bon pour moi, qui est erronée. Il ne veut pas dit parce que vous êtes journaliste que vous n'avez pas une certaine idéologie. C'est faux. Même dans les grandes démocraties dont nous faisons référence, comme la France, les journaux sont soit de gauche, de droite ou bien. Donc, laissez la personne. Il a fait un choix idéologique. Donc, c'est ça. Il y a des jugements que nous portons certains mm, sur certaines personnes, alors que ce sont des jugements de valeur parfois qui ne devraient pas avoir, parce qu'il y a ce que la personne est en train de faire dans le cadre du métier, il y a de l'autre côté sa vie. Donc tout ceci, il faut éviter de le mettre. Mais du, point de vue de responsabilité, moi je pense que c'est sur un autre pan que nous devons travailler, parce que sensibiliser, parce qu'on sait que de nos jours, le véritable problème, c'est ça véritablement qui se pose avec acuité. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens parlent plus de des conditions de vie, de travail des journalistes. Moi, j'ai dit, ok, c'est bien, il faut parler de nos conditions. Mais est-ce que nous n'avons pas raté un peu le départ au Niger je ne dis pas que le fait d'avoir de lutter pour qu'il y ait cette liberté de presse est une mauvaise chose. Non, c'est une bonne chose. Mais est-ce qu'on n'a pas mis... Parce que pour moi, la liberté de la presse est dans l'air du temps. Qu'on le veut ou non, un jour, on va l'avoir. Mais est-ce que pourquoi on ne s'est pas battu au départ pour asseoir des véritables entreprises de presse et avoir ces véritables entreprises de presse, assurer, avoir une certaine sécurité économique pour tout ce qu'il y a comme acteurs dans les médias. Maintenant, la liberté de presse, ça va venir avec le temps. Mais aujourd'hui, on dit la précarité joue aussi dans le traitement <laughs> de l'information parce que les journalistes sont dans une situation de précarité. C'est pour cela qu'il y a <laughs> chaque fois des dérapages. Non, je ne dis pas forcément que c'est là, c'est la précarité qui le conduit à le faire. Parce que vous avez, c'est comme si vous prêtez serment. Vous avez pris l'engagement. Il y a des règles qui encadrent le métier. Donc, faisons cet effort. Personne n'est parfait. Il n'y a pas une personne parfaite aujourd'hui qui va se dire que moi, je fais du bien. Je ne commets pas des erreurs, non. Mais quand on commet des erreurs, quand on vous interpelle, corrigez. C'est ça la grandeur d'un homme. Alage Mohamed Souleyman, ça fait un moment que les journalistes ne sont pas arrêtés, eu à le dire, dans l'exercice euh, du métier au Niger. Sont-ils devenus plus professionnels euh, ou bien euh, c'est l'exécutif qui a créé les conditions de l'académie constatée euh, bon, vous savez, euh, comme l'ont dit les autres collègues, euh, tout est question de circonstances. Plus la situation politique ou sociopolitique est enflammée, plus il y a des, des situations de crise, plus effectivement le comportement de pouvoir face à la, presse peut être effectivement soit... en tout cas, il y a toujours des problèmes selon la... En ce moment, effectivement, euh, c'est une euh, réalité, il y a moins de, difficultés, il n'y a aucun journaliste euh, en prison. Bref, moi, ce qu'il faut dire, c'est que de façon générale, euh, nous avons euh, des avancées certaines et qui sont des acquis liés à notre contexte démocratique, c'est-à-dire que c'est de hautes luttes que le peuple souverain, en tout cas les Nigériens, ont lutté justement pour s'entendre sur l'essentiel que nous avons une loi sur la presse très progressiste, en tout cas nous avons au niveau national, en tout cas le Conseil supérieur de la communication, qui normalement, si ce, en tout cas on travaille normalement, il y a vraiment des garanties, en tout cas, de, liberté, en tout cas, de liberté de, presse vraiment euh, effectives. effectif. Euh, donc, de ce point de vue-là, euh, il y a quelques ratés. Souvent, par exemple, ce qui s'était passé à la barre pendant justement cette affaire de lutte sur la, loi des finances. Ça s'est passé également à, la RTT, absolument, à la Canal 3, e, en tout cas, beaucoup de, problèmes. Par exemple, pour le cas du, de, de la barre. Euh, ce qui s'est passé, ce qui est maladroit, c'est que l'exécutif euh, qui a agi à lieu et place du CSC l'exécutif n'a pas vraiment le pouvoir de le faire. Mais quand on revient au fait, je pense que d'un point de vue personnel, le journaliste qui c'était vraiment l'effet du direct, le journaliste a fait vraiment l'effort euh, d'arrêter la personne qui était. Mais franchement, ça, c'est pas vraiment du tout, du tout acceptable d'un point de vue des principes. Autrement dit, euh, euh, nous ne sommes pas, je veux dire, euh, rien n'est parfait. Mais il y a aussi que pour éviter certains dérapages, parce que vous voyez, c'est que la situation que ça avait, ce, comportement avait, créé. Donc, pour en, en, tout cas, en ce qui me concerne, en tout cas, il y a, si on devrait faire le débat vraiment, des obstacles à notre sein, donc lié à la, à la pratique du, métier, les conditions économiques, euh, mais le comportement aussi des, journalistes. Euh, ce qui fait que euh, aujourd'hui on parle d'investigation, mais en vérité, voilà un domaine où on a beaucoup à faire parce que, en réalité, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe les gens, les gens gèrent les fuites, les gens n'ont pas le goût de, de, de risque parce que simplement c'est difficile de faire un travail d'investigation. Cela veut dire qu'il faut être indépendant du point de vue peut-être économique, il faut vraiment avoir tout simplement euh, le courage de ne pas s'auto-censurer, quelle que soit la, situation. Mais ce n'est pas le cas. Dans la réalité, j'ai dit euh, ce qui se passe. Les gens, selon leur agenda, un fonctionnaire, un policier, un magistrat, euh, en tout cas, ou bien un homme politique, décide de donner une information brute aux journalistes il va essayer tout simplement de la travailler pour vraiment mettre la forme journalistique. C'est ça, en réalité, l'investigation chez nous. Mais ailleurs, franchement, euh, on a vu euh, véritablement comment les gens s'organisent, en tout cas, à aller vraiment faire bouger les lignes. C'est de cela. Mais dans ces conditions de précarité où, nous sommes, où effectivement, les journalistes préfèrent aller plus dans les, salons des personnalités que de faire le, travail, vous voyez qu'on ne peut pas, ne pas avancer. Donc moi, de, façon, de façon résumée, au Niger, en tout cas, j'ai dit, qui, à comparer avec beaucoup de, pays de la sous-région, en tout cas, on peut être fier en tant que journaliste qu'effectivement, nous n'avons pas d'un travail essentiel, en tout cas, pour faire le, travail. On a quand même connu des situations où, par exemple, ici au Niger, qu'on peut se faire un droit d'honneur au président de la République et c'est passé sans problème. Donc je pense qu'il euh, y a quelques ratiers euh, dans, par le passé, mais pour l'essentiel, vraiment, euh, il y a des acquis à consolider. C'est mon point de en tout cas. même si les journalistes savourent leur liberté euh, de temps au Niger, il reste tout de même du travail pour améliorer la situation des journalistes et des organes euh, qui restent fragiles financièrement. À cet effet, quels sont pour vous les principaux défis à très court terme Bon, les principaux défis à très long, euh, très court terme, c'est que euh, on parle de liberté de la presse, c'est vrai, mais quand on regarde la situation des confrères et des consoeurs, des hommes de médias aujourd'hui, c'est à déplorer. C'est à déplorer parce que euh, vous, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce que ce qui a lieu de faire immédiatement, c'est d'aller vers la signature de la convention collective. Seule la convention collective peut-être peut aider ces journalistes, à, les hommes de médias que nous sommes, à exercer véritablement notre métier dans des conditions en tout cas pas précaires. Alors, du point de vue, quand on regarde également, au lieu que ce soit aujourd'hui les journalistes, les journalistes qui profitent euh, des retombées, c'est plutôt les promoteurs qui profitent de ces retombées-là. Donc, je pense que d'un côté, ceux qui font le travail ne, méritent pas d'être dans ces conditions précaires et ceux qui, euh, les employeurs du moins, doivent également regarder leurs copie pour que euh, vraiment un bon rendement, pour qu'il y ait un bon rendement, il faut que les journalistes soient mis dans des conditions de travail et financièrement, donc, euh, euh, pour mieux exercer le métier. Et je pense que c'est le travail que doit faire, en fait, le CSC, y compris les promoteurs, y compris les journalistes, les associations professionnelles, donc les médias. C'est vraiment mener une lutte vers la convention collective. Seule la convention collective aujourd'hui peut, comme je viens de le dire à l'instant, mettre à l'abri ces journalistes. Le Niger a décidé de changer son hymne national, la nigérienne, pour supprimer une allusion à l'ancien colonisateur français, a annoncé le ministre de la Renaissance culturelle sur Télé Sahel. Les paroles de la nigérienne ont été écrites par le français Maurice Albert Thierry en 1961 un an après l'indépendance du Niger en 1960. Issa Madougou, de nombreux Nigériens critiquent surtout le troisième et quatrième vers Soyons fiers et reconnaissants euh, de notre euh, liberté nouvelle estimant que le mot euh, reconnaissant marque une infiodation à la France. Êtes-vous du même avis tout à l'heure, on venait de parler de liberté d'expression. Il faut ajouter opinion. C'est leur liberté, l'expression de leur liberté d'opinion comme ça. Les gens ont la <laughs> latitude dans ce pays de dire ce qu'ils veulent. Mais moi, je pense que <laughs> si on décide de changer soit le drapeau, le nom du pays, ou bien l'hymne, c'est une question de souveraineté. Pourquoi tant de débats Moi, la faute, j'ai je, suis situe ça au niveau du gouvernement. Pourquoi ce gouvernement communique mal souvent sur des choses qui ne devraient pas susciter des débats La communication, c'est un art. Moi, aujourd'hui, tous ces débats qui se font autour de, la modification ou bien du changement, de, moi, je trouve, à mon avis, c'est stérilisé le débat là. Aujourd'hui, il y, a des pays qui l'ont fait, mais ils ne, déplaçons pas le débat. Si les gens trouvent que aujourd'hui, ça ne répond pas aux aspirations du peuple nigérien, pourquoi ne pas changé Peut-être c'est qu'il faudrait imposer maintenant au gouvernement la démarche, qu'elle soit participative, nationale, avec toutes les composantes de la nation. C'est ça que normalement le débat, à mon avis, c'est comme ça le débat doit être fait. Mais pas sur dire que si on change l'hymne, est-ce que le Niger euh, va se développer Le Niger ne va pas se développer tant que nous continuons à dormir. Les pays aujourd'hui qu'on parle de millions, les gens pensent, qu'ils disent Rwanda, Rwanda. Mais les Rwandais n'ont pas commencé à dormir. Ils sont réveillés d'un seul coup après le génocide. Mais il faut qu'aujourd'hui, si le Niger pense que l'hymne ne répond pas à son... Le drapeau ne répond pas à ses aspirations, on va le changer. Tout récemment, la Mauritanie a fait ça, a changé le, drapeau. Parce qu'ils estiment que le drapeau qu'ils avaient, euh, euh, la lune et le vert, ne correspond pas vraiment à la composition nationale. Ils ont décidé de changer, ils ont changé. Où est le problème mais moi, je pense que c'est la communication qui a failli. Chaque fois, c'est ce qu'on déplore avec ce gouvernement. La manière de communiquer sur des choses qui ne devraient pas être vraiment susciter des débats stériles, c'est cette manière qui manque à ce gouvernement. C'est pour ça qu'il faudrait choisir parfois les gens qui devront s'adresser à la nation avec lucidité, avec compréhension, avec une manière où, même si vous êtes l'homme le plus radicalisé du pays, vous pouvez dire, ah, c'est vrai, mais ne déplaçons pas le débat. Moi, je pense que il n'y a pas lieu de faire une polémique. Si on veut changer l'hymne, qu'on le change. Mais va, ça ne va pas empêcher quand même qu'on ne va pas travailler pour que le Niger avance. Les priorités du développement sont là, les problèmes sont là, il faut trouver des solutions. Alagé Mohamed Souleymane, quelle est votre lecture au sujet de ce projet de modification de l'hymne national Bon, je crois que l'attitude du ministre de la Ressource culturelle euh, Peut-être que c'est un peu la délicatesse de la question parce que vous voyez, c'est des, attributs. Peut-être qu'ils voudraient qu'on ne les accuse pas d'avoir fait des choses en catimini. Peut-être qu'il y ait un peu plus euh, d'inclusivité, qu'il y ait plus d'implication. C'est pourquoi ils disent qu'ils font appel à tout le monde euh, pour qu'effectivement le travail soit donc accepté de tous. Euh, bref, mais je pense que, comme il a dit, il y a trop de bruit autour de cette question, alors que même si c'est techniquement parlant, peut-être que le gouvernement il a l'initiative euh, de faire des projets de loi, c'est-à-dire que on met à part le travail technique qui va être fait par des techniciens. Donc, si cela, effectivement que que, une, euh, que l'expression de, de, volonté donc, du peuple souverain donc on passe par l'Assemblée qui va, parce qu'il y a des députés effectivement pour le, pour, le faire. Donc j'ai comme l'impression, j'ai suivi le, le, le, comité, un des membres du de comité, de, de comité qui est passé vraiment à la télévision. Effectivement, il a montré les aspects négatifs et les aspects positifs. Ça, c'est le point de vue vraiment technique et cette question, comme euh, les élèves, en tout cas, qui ont eu à avoir des enseignants un peu, euh, un peu critiques, effectivement, c'était depuis justement tout le temps, les enseignants dénoncent euh, cela que effectivement, il y a des, effectivement de, des lacunes. Des parties qui ne pas vraiment être dans, cette, dans ce team. Donc, bref, moi, je pense que, comme euh, euh, Issa l'a dit, en tout cas, trêve de, polémique. On veut changer ça. Si vraiment euh, on, veut changer, vraiment qu'on avance, que le comité puisse faire le travail. Parce qu'en réalité, on ne peut pas impliquer. Parce que si il y, a un travail vraiment technique c'est pas tout le monde qui peut vraiment proposé. On a vu vraiment, par exemple, le ridicule à travers Facebook, les gens qui font des, propositions de vraiment des choses très grotesques. Franchement, <laughs> franchement, qu'on mette un communiqué des gens habilités, des, des littéraires, des historiens, en tout cas, des gens vraiment qui peuvent refléter euh, la volonté générale, en tout cas, qu'on puisse vraiment avancer. Mais franchement, ne pas ridiculiser les, euh, les choses. Même Gado, le projet de modification de l'hymne national vous paraît aujourd'hui justifié 59 ans après. Qu'est-ce que cela pourrait apporter comme satisfaction Bon, je pense que les autres l'ont dit, on n'a pas à polémiquer là-dessus. Euh, ce que ça peut apporter comme satisfaction, c'est qu'on sera fiers aujourd'hui d'avoir composé nous-mêmes euh, notre propre hymne national. Donc, je pense que, comme on l'a dit, le français qui avait composé l'hymne national en son temps ne connaissait pas vraiment véritablement le Niger, mais on est arrivé à un stade où aujourd'hui les Nigériens doivent être fiers, euh, doivent être aujourd'hui, doivent devant donc d'autres nations refléter qu'aujourd'hui, l'hymne national que nous sommes en train de chanter, c'est véritablement notre hymne à nous. Nous l'avons composé avec les personnes en fait ressources, mais c'est ça aussi qu'il faut euh, regarder aussi. Est-ce que le comité aujourd'hui qui a été mis en place, est-ce que c'est toutes les personnes ressources qui se trouvent à l'intérieur donc de ce comité Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui peuvent aujourd'hui apporter un plus à, la composition de, de l'IM euh, C'est des choses qu'il faut également revoir. C'est vrai, on nous a montré euh, le comité est là, ça a été mis en place, mais véritablement peut-être il y a d'autres personnes ressources qui peuvent en amont faire le travail euh, qui peuvent appuyer le comité. Et je pense qu'aujourd'hui, on a déjà des difficultés à chanter l'hymne national parce que quand vous regardez les enfants, il y a aujourd'hui des écoles où c'est très difficile pour un enfant de chanter l'hymne national. Et je pense que l'hymne national qu'ils vont mettre en place sera peut-être quelque chose de vraiment pas trop long ou condensé pour que on, puisse véritablement euh, oui pour que les enfants aujourd'hui puissent arriver à, à, lire et à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il ne s'agit pas aussi de faire l'hymne national mais il faut également essayer de faire quelque chose où les enfants aujourd'hui qui vont s'approprier puissent comprendre telle phrase Qu'est-ce que ça signifie Telle phrase, qu'est-ce que ça dit C'est ça, en fait, le principe. Hassan Boukara, l'article 1er alinéa 3 de la Constitution du 25 novembre 2010 de la République du Niger stipule que l'hymne national est la nigérienne. Peut-on apporter une modification quelconque à l'hymne national sans pour autant réviser la Constitution Peut-être que ce qui va arriver aussi va s'appeler la nigérienne. Donc, <laughs> si le nom reste toujours la nigérienne, mais au fond, moi, euh, la question que je me pose, c'est en fait, quel est l'objectif qui est derrière est-ce qu'il y a euh, une, volonté subite de décoloniser en disant que c'est arrivé euh, avec la colonisation, on veut changer parce qu'on reconnaît l'ancienne métropole Si on veut décoloniser, alors le chantier est vaste. Hein. Peut-être que ça va commencer par la langue française puisqu'elle est aussi venue avec la colonisation. Alors, est-ce qu'on aura l'hymne national en Zarma, en Peul ou en, ou en n'y en a rien. Alors, qu'est-ce qui va être le changement finalement euh, Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une volonté subite de décoloniser Hein, dans, ce pays. Alors, si, si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on a peut-être besoin de trouver quelque chose pour euh, ce grand chantier de la Renaissance culturelle on a tellement chanté la Renaissance culturelle, on a du mal à voir la Renaissance culturelle. Les habitudes ne changent pas, Alors, peut-être que, puisque rien n'avance sur ce chantier de la Renaissance culturelle, on a voulu s'agripper à quelque chose de symbolique. L'hymne national, normalement, c'est quelque chose d'important. Hein. Ça fait partie des attributs de souveraineté avec le drapeau, etc. C'est quand même quelque chose d'important, normalement, dans les principes. Et donc, le fait de vouloir le changer, moi, je me dis, dans un pays où c'est pas quelque chose auquel euh, tous les citoyens sont attachés, hein. dans un pays où vous avez plus de 50% des gens qui ne savent pas lire, écrire, euh, n'ont pas été à l'école, pour eux, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour l'élite, ok, c'est important, l'hymne national. Mais en fait, moi, c'est pour ça que la question que pose. Est-ce que c'est une subite volonté de décoloniser euh, En ce moment, le chantier serait plus vaste. Ou alors, la Renaissance culturelle a besoin d'avoir un symbole, c'est-à-dire dire grâce à la Renaissance culturelle, on a changé l'hymne national. C'est peut-être ça qu'on cherche, quoi. Sinon, la question que je me pose, c'est franchement, qu'est-ce qu'il y a derrière, quoi Quel est réellement l'objectif aujourd'hui de vouloir changer l'hymne national Si réellement on veut décoloniser, le chantier est quand même plus vaste. Hein. Bon. Parlons à présent de la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel avec la mort lundi de 13 militaires français au Mali. Les deux hélicoptères qui les transportaient seraient entrés en collision. Elage Mohamedou Suleiman, quelles peuvent être les raisons de cet accident, surtout que ces militaires étaient en opération pour déloger des terroristes, semble-t-il? On a suivi les officiels français, notamment la ministre de la Défense et le chef d'état-major. Euh, juste euh, euh, sur France 24, j'ai suivi ça en direct. les arguments donnés, c'est que il faisait, sombre. maintenant, ils ont dit par la suite, on a retrouvé les boîtes noires des appareils. Donc franchement, je pense que jusqu'à ce qu'on nous donne la version euh, finale, ça a suscité beaucoup d'interrogations. Les gens se posent beaucoup de questions des tentatives euh, d'explication qui tendent à dire euh, est-ce que derrière ça, il n'y a pas une certaine volonté de diversion. Bref, finalement, franchement, je ne peux pas m'avancer. mais il y a, franchement, c'était assez curieux ce qui s'était passé c'est euh, un accident, un accident comme dirait l'autre, on ne peut pas programmer un accident. Mais ça donne quand même pour un pays, un grand pays comme la France, où les gens vraiment ont de l'expertise, vous voyez, ça fait un peu amateur euh, pour les profondes que nous sommes ici, de voir que les avions d'une puissance comme ça peuvent se cogner. Bref, euh, franchement, je m'arrête là, moi, je pense qu'on attend vraiment de vraies réponses pour comprendre ce qui s'est passé exactement. Samadougou, le Conseil des ministres euh, de la semaine passée a relevé que 101 écoles euh, sont fermées, notamment dans les régions de Tilaberi et d'Ifa. Ajoutons à cela les assassinats et les enlèvements des chefs coutumiers qui sont légions dans la région de Tilaberi, le long de la frontière malienne et burkinabé. Quelle projection peut-on imaginer pour l'avenir euh, de ces milliers d'enfants aujourd'hui sans école alors que l'État fait obligation de les scolariser gratuitement jusqu'à l'âge de 16 ans Merci Mokhtar. Je pense que cette question, depuis un certain temps, les gens s'en parlent. Euh, mais on prenait ça à la légère. Depuis l'année passée, quand vous prenez le nord de la région de Tilaberi, il y a ce problème qui se passe. Même le syndicat, si vous vous rappelez une fois, le syndicat national des agents fonctionnaires et enseignants contracteurs de l'enseignement de base, SINASEB, a fait une déclaration pour faire le cas euh, de ces enseignants qui ont été menacés. Parce que les gens qui viennent les trouver en classe leur demandent qu'est-ce que vous enseignez C'est du français, c'est du boko vous faites. Donc, si vous ne changez pas de langue, prochainement quand on va vous trouver, mais les gens ont quitté malgré eux. L'année passée, il y a des statistiques. Les gens ont parlé là-bas des statistiques de 386. D'autres parlent même plus de ça. Dans seulement le département de, de Dayaru. Mais rien n'a été fait. Moi, personnellement, je me suis euh, entretenu avec euh, le directeur régional adjoint une fois que je faisais. Il m'a dit qu'ils ont, ils ont minimisé l'impact euh, de cette déperdition scolaire en créant des systèmes. De... Mais quand j'étais sur le terrain, force est de constater que le problème même qui se pose, c'est l'éparpillement, parce que les populations même se sont déplacées. Aujourd'hui, ce qui se pose comme problème, véritablement, le problème la racine du problème, ce que les populations, même aujourd'hui, euh, ne veulent pas envoyer. Parce que tu as peur. Parce que si on a menacé l'enseignant qui enseigne le français, de le tuer. Toi, tu, oh, tu vas oser <coughs> envoyer ton enfant étudier le français. Moi, j'ai rencontré des parents d'élèves qui m'ont dit, moi, aujourd'hui, mon inquiétude, c'est pour cela que j'ai préféré garder mon enfant. Parce que c'est l'école des Blancs. S'ils si ils, menacent leur enseignant, <coughs> mais c'est qu'ils sont capables de tuer ces enfants. Alors le problème continue, continue. Par exemple, quand vous prenez ce qui se passe dans la commune rurale d'Inates, moi, je ne sais pas pourquoi on ne parle pas beaucoup de cette commune rurale, mais c'est le désintégrement total dans cette zone. Les gens ne parlent pas, on dirait que ce ne sont pas des Nigériens. Le système de santé, ça ne fonctionne pas. L'école ne marche pas. Ce sont des Nigériens. Donc, aucune présence de l'État dans Quel cette État Qui, qui va partir là-bas Même les humanitaires ne partent pas. Euh, Mokhtar, <laughs> c'est que c'est pas ça une tête, c'est pas quelque chose que moi je pense que les gens devront. Il y a un camp militaire là-bas. Maintenant, il y a eu un renfort qui est là. C'est en pleine journée, c'est pas la nuit hein, ils, attaquent dans la zone. Hein. C'est comme le cas de Ndeliman. C'est vers 14h en juillet passé, le 1er juillet. C'est entre-temps le 15 juillet qu'il y a eu l'assassinat du chef intérimaire. Parlons de, l'assassinat des chefs là. Depuis mai 2018, on est en train d'assassiner des chefs traditionnels dans cette zone. On n'en parle pas. Et je vois aujourd'hui les gens qui parlent sur Facebook. Moi, j'ai eu à discuter pour eux. J'ai dit, mais attendez, vous vous dites défenseur des droits humains. Parce que maintenant, donc pour vous, les droits humains, c'est quand on touche vos parents que seulement les droits humains comptent. Ceux-là qu'on a assassinés, on a assassiné des chefs avec leurs héritiers. Vous prenez le cas de cette zone, de Tibimbaouen, Tintuhun, jusqu'à Inates. Inates, on a tué deux chefs. Le premier chef du groupement, l'a tué. L'intérimaire. L'intérimaire Al-Mubashar a été tué. Ils ont mis du temps à nommer même un intérimaire. Même l'intérimaire qui est là, combien de temps il passe là-bas C'est ça, qu'il y a des questions. On a tué ici le chef de groupement, ici à Bala, un artisan de la paix. Ça n'a rien dit. Un gars qui est en train de travailler véritablement pour que la cohésion communautaire puisse être une réalité dans cette zone. Il fait la promotion des valeurs de vivre ensemble. Les gens n'en parlent pas. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est ça, c'est frustrant quand vous, vous, vous causez. Vraiment, moi, ça me touche parce que je connais cette zone. Parfois, tu as l'impression que ces gens-là sont abandonnés à leur propre sort. Et c'est ce qui explique aussi le fait qu'il y a des gens qui choisissent là-bas délibérément d'aller rejoindre les groupes djihadistes parce qu'ils n'ont pas ce sentiment d'appartenir à une nation. Ils se sentent abandonnés. Aujourd'hui, le prélèvement de la zakat là que je vois des gens veulent faire, c'est comme si c'était une polémique. Dans un endroit où il n'y a pas l'État pour vous sécuriser, des gens sont là et vous fait, ils font le, le compte, ils disent payer. Qui, quand vous payez, vous êtes en sécurité. Là, les gens préfèrent payer pour leur survie que de recevoir les conséquences. Ceux qui ont refusé de payer, ils ont subi les conséquences. Moi, je pense que la solution même, ça ne va pas venir d'ailleurs. La solution se trouve avec ces communautés. Discuter avec les communautés. Chercher des leaders d'opinion, pas les traditionnels leaders d'opinion. Non, on, a tout ce qui est en train de faire rater aujourd'hui le développement local dans cette zone. Ce que les canaux par lesquels on passe, par exemple les chefs traditionnels, les, il y a des gens qui, des fédérateurs, parce que vous ne pouvez pas être un catalyseur de paix tant que vous, en vous, vous n'avez pas les germes de pacificateur. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, même l'aspect politique a porté un coup dur à la zone. À cause de la politique aujourd'hui, il n'y a pas un chef qui ne connaît pas un qui n'a pas de problème dans sa zone. Les villages sont en train de se diviser dans cette zone. Les gens regardent au grand bonheur des politiciens qui sont en train de les manipuler. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités. Et c'est en mettant ces communautés au centre. Parce que c'est ça aujourd'hui. La stigmatisation est arrivée à un moment où les gens sont en train de ne pas parler pour dire que non, ça va, ça va. Mais non, ça ne va pas. Parce que tout le problème, quand on se rencontre dans les forums, il y a des sujets, on dit c'est des sujets tabous. Non, il n'y a pas de sujet tabou. Discuter de tous les sujets qui existent. Alors, c'est parce que les gens ne se parlent pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette situation devrait tous nous interpeller. Vraiment, ce qui se passe là-bas ces populations-là, des enfants qui ont besoin d'aller à l'école, des gens qui ont besoin d'être soignés aujourd'hui sont en train d'être abandonnés. Ce n'est pas la solution. L'insécurité, là, ce n'est pas seulement la solution militaire qu'il faut. Non. Il y a d'autres solutions Non, je cite. C'est comme le président Youssouf l'a dit. Et moi, je, J'aime écouter quand il le parle ainsi, mais je veux qu'il le matérialise ici, qu'il faut accompagner par des actions de développement. Hassan Boukara, avec tous ces drames, pensez-vous qu'il y a espoir et avec quel argument pour sauver le Sahel en danger ben, C'est une question extrêmement difficile. Je pense que ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le fait que cette fois-ci, les victimes soient des Français. Euh, sinon, au Mali, au Burkina, au quotidien, il y a quand même des victimes. Euh, quelques jours avant que ces 13 soldats français ne perdent la vie, il y a eu quand même euh, quasiment une cinquantaine presque de soldats maliens qui sont tombés. Donc voilà la situation au Sahel pour l'instant. je pense que ni la solution militaire là qui a évoquée, qui, n'est pas du tout, je suis d'accord avec la réponse, euh, ni la solution militaire, ni les stratégies développées jusqu'à présent euh, n'ont montré, de, n'ont été les réponses à ce qui se passe aujourd'hui au, Sahel. Euh, alors on est dans une situation où la France est arrivée, d'autres pays sont venus s'installer, notamment au Niger, au Mali, peut-être au Burkina. on a créé le G5 Sahel on multiplie les forats. Aujourd'hui, Niamey accueille une rencontre. Il y en a eu récemment à Dakar, il y a eu à Ouaga, il y a eu à en, en France. On continue à faire les réunions. On a l'impression que les Français ne sont pas efficaces. On veut aller chercher des armes en Russie. Finalement, ça montre qu'aujourd'hui, euh, on tâtonne. Les chefs d'État sont allés à Paris pour dire on a des stratégies, mais on n'a pas d'argent. Bon, avec Mbanza, quoi. <laughs> si, si, si, tu n'as pas d'argent, les autres, ça va être difficile. Et là, à la suite justement de cet accident qui a coûté la vie à des soldats français, certains se demandent si l'opinion publique française ne va pas réagir et dit c'est la guerre des autres, mais c'est nous qui mourons, etc. donc la, la situation aujourd'hui au Sahel, c'est une situation extrêmement compliquée ça fait maintenant, je crois, un an, peut-être un an et demi, que tout le monde s'est rendu <coughs> compte que la réponse militaire n'est pas la plus appropriée. C'est vrai que lorsque quelqu'un vient avec des armes, il faut lui opposer la force légale. C'est ça la force de l'armée. Mais aux côtés de ça, il faut au moins récupérer les populations. C'est quand même dramatique qu'on dise que sur le terrain de combat, quelquefois, les populations collaborent beaucoup plus avec l'ennemi, c'est-à-dire les terroristes, qu'avec l'armée légale. C'est quand même une situation dramatique de soldats qui partent se faire tuer en voulant défendre une patrie, une nation. Vous avez, vous êtes sur le terrain de combat. Les gens qui vous êtes partis défendre, on dit, ils collaborent beaucoup plus avec l'ennemi que vous combattez qu'avec vous-même. Ça montre qu'il y a un véritable problème aujourd'hui. Et là, euh, au Sahel, à mon avis, euh, il faut que les gens se rendent compte que c'est un, combat pour tout le monde. Euh, on voit bien la limite hein, de faire appel aux forces extérieures. Je me rappelle euh, au début de cette crise, un pays comme l'Algérie avait travaillé à l'époque, je me rappelle d'une rencontre qu'ils ont organisée à Bamako, au Mali, pour dire euh, organisons-nous entre nous, nous en tant qu'Algériens, on mettrait des hommes, des moyens et tout ça, faisons en sorte que les forces occidentales ne viennent pas s'installer au Sahel de nous battre, ça n'a pas marché. On a fait le G5 sans eux, on a continué à faire. Ça fait aujourd'hui euh, presque 4-5 ans qu'on vit cette situation, ça n'avance pas. À mon avis, euh, il faut vraiment euh, réfléchir davantage sur la démarche et peut-être mutualiser les forces. Hein. Là, au niveau de la CDA, on a annoncé, je crois, un milliard de dollars qu'on va réunir au sein des différents pays, il faut peut-être beaucoup plus compter sur ça que sur le reste. Le reste, de toute façon, euh, la dernière intervention du président Keita, Déby il Issou montre qu'il ne faut pas trop croire que l'argent va venir d'ailleurs. Hein. Euh, disent pour ironiser, quand on rencontre les gens, ils nous saluent, ils sourient, mais il n'y a rien quoi, <laughs> qui, arrive. Il faut se rendre compte que c'est à nous de nous battre. Mais l'autre dimension aussi, qui est de plus en plus trop le monde c'est la gouvernance il faut absolument améliorer la gouvernance. Faire en sorte que des aventuriers qui prennent des armes, qui se mettent derrière le village, qui se mettent dans le bois, tirer le coup de feu, ne puissent attirer personne d'autre que leur euh, propre aventure. C'est-à-dire que s'il y a aujourd'hui une gouvernance, que les gens se rendent compte qu'il y a une justice dans le pays, qu'il y a une éducation, qu'il y a l'équité euh, au sein de notre pays, les gens trouveraient que ce que les hommes armés leur proposent, ils ont mieux que ça là où ils sont. Aussi longtemps que les gens l'impression que les vendeurs d'illusions, les vendeurs de bonhomie présentent mieux que l'état des choses, les gens peuvent être euh, toujours tentés. Mais à mon avis, il faut aussi améliorer la gouvernance, il faut se rendre compte que euh, la force armée n'est pas la seule force, même il ne faut, pas l'abandonner, il faut toujours se battre et faire en sorte qu'on puisse sécuriser le territoire, le pays, mais il faut améliorer la gouvernance, agir sur le développement. Voilà. Mais pour l'instant, on n'a pas encore la solution, c'est le constat que j'ai fait comme Hassan Boukar vient de le dire, Niamey abrite en ce moment le sommet continental africain sur la paix, la sécurité, le développement durable. Des thématiques très développées, surtout cette année avec des multiples rencontres ça et là. Quelle analyse vous inspire à ces rencontres sur la paix, les difficultés de financement de la sécurité et le développement au Sahel donc l'analyse que je pourrais faire par rapport donc euh, à ce forum qui se tient actuellement donc euh, ici à Niamey sur la paix, la sécurité, euh, je pense que c'est une très bonne chose. du moment où c'est vrai nous sommes déjà menacés, le Sahel est menacé, donc pourquoi ne pas également aller vers un forum continental comme qui se tient actuellement. Et je pense qu'aujourd'hui, comme l'a si bien dit les uns et les autres, aujourd'hui le financement, on ne doit pas attendre un financement financement de l'extérieur, mais le financement doit être ici. On doit, nous les pays qui sont menacés, le G5 Sahel par exemple, doivent euh, à leur sein e-, essayer de, d'investir un peu plus que ceux qui sont en train d'investir. Mais investir comment C'est investir euh, euh, véritablement dans cette sécurité. Aujourd'hui, ils l'ont dit, la sécurité, c'est pas seulement les armes aujourd'hui qui peuvent avoir une solution dans ces régions qui sont menacées, c'est également d'autres stratégies d'approche qu'il faut adopter. Et les stratégies d'approche, comme euh, Issa avait dit, c'est d'investir également dans le développement communautaire. Et je pense que si quelque part les pays sont en train d'échouer, par rapport à la sécurité, c'est véritablement parce que jusqu'à présent, ils n'arrivent pas à convaincre les populations. Les populations même qui sont menacées ne sont pas convaincues en fait de la présence même de l'autorité. Donc c'est ça aussi en fait qu'il faut essayer d'analyser. Il faut voir qu'aujourd'hui, si l'ennemi arrive à avoir euh, une même mise sur cette population, ça veut dire que l'ennemi communique mieux que les autorités. Donc c'est ça en fait. Et je pense que c'est une bonne idée. Et vraiment, nous, nous les encourageons à aller dans, euh, cette perspective et que nous, allons attendre les conclusions pour voir ce, que, ce qui sera dit. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu. Merci à nos invités, Memouna Diado de la radio et télévision Tambara, Hassan Boukar de la radio alternative, Alhaj Mohamedou Suleiman, directeur de la rédaction du journal en ligne Niger Inter, et Issa Madougou, journaliste à la radio et télévision Ténéré. Merci aussi à tous les auditeurs votre fidélité au programme de studio Kalangou. Rendez-vous samedi et dimanche de 17h pour suivre le programme Jeunes du studio Kalangou sur les ondes des radios partenaires. Il sera suivi du forum à Houssa et en Zarma sur le dialogue politique inclusif. Merci, au revoir.